Et avec l'émergence, vraiment, il faut les industries. Donc, euh, j'apprécie beaucoup ce projet avec Madame Diop et je suis à ses côtés pour l'accompagner en tant que parlementaire et pour porter des plaidoyers au niveau de l'Assemblée nationale, Inch'Allah. Monsieur Bonsoir je vais être euh, très concis pour ne pas prendre beaucoup de temps. Euh, <laughs> donc, je me joins à mes présents pour féliciter ma Un jour, dans cette place, en allant, euh, il avait fait une, une remarque qui m'a marqué et il avait dit que euh, en général, au Sénégal, on, est, on grandit, on fait des études, on se marie, et 30 ans après, on revoit la même personne dans le coin du quartier du Gertetchal. Donc, la, question que, se posait le monsieur, c'était pourquoi on, on, a dû, ici au Sénégal, à passer à l'industrialisation en somme, ce qu'il voulait dire, c'est que les commerçants d'aujourd'hui venaient à être les industriels de demain. Et pendant, tout le, euh, pendant toute euh, l'exposition que vous étiez en train de faire, vous nous avez dit que, euh, comment on appelle ça encore, que le tissu industriel euh, un acteur de quels sont les facteurs c'est, c'est, elle est là. Dernier, dernier intervenant, Maïmona Diouf. Maïmona Diouf, c'est ici, hein Merci beaucoup. Aussi aux félicitations de Madame Assia. Euh, intervenir avec moi euh, Yacarnam, la représentante de madame Diouf Maria l'a dit les deux filles, madame la députée aussi l'a dit parce que c'est chaque fois le maillon final de ces filières sont restés en rapide Multi élevage multi pêche multi agriculture maillon final bi les transformatrices les restauratrices les qui chaque jour elles sont restées en rapide parce que lépp lu ñuy accompagner ñoom duñ leen ci boole donc moo tax dix ans quarante ans boo ñëwee da leen fi fekkaat parce que amuñu les moyens matériel mooy liggéey financement mooy liggéey te ñooñu duñ leen boole dangay def ak say moyens xëy na nga am sa benn kenn ku nekk fee jàppale la nga xaw a jóg mais à part ça boole wuñ leen te ñooñu ñoo mën a développer réew mi te ki ñu boole ba mu dem ñooñu dañuy mujj di exporter di yóbbu. donc dañuy mujj li nekk fii ñuy góorgóorlu ak seen loxo seeral seen ay mbir ba ñoom duñ ko mën a jënd dañuy mujj di jënd lu ñu importé muy ñëw donc loolu tamit ci politique yi ngeen di def war ngeen ko ci mën a boole parce que sans ñu résoudre bu loolu oh, daf fii des ban tey tey dina fi yàgg merci de à, prendre en charge la question de François Serre, euh, c'est un peu de son ressort. Il a été concret, hein, François Serre. Comment faire face aux menaces, très précis, aux menaces de rareté de la racine dans un contexte où on veut en faire le produit phare pour consommation. alors que le produit se raréfie énormément. Comment faire En répondant à la question, vous réglerez probablement la deuxième question de l'État pour éviter la disparition de cette filière. Question pertinente de François. Euh, vous avez raison en fait de soulever cette question. Et donc nous, dans le programme PASS que je coordonne, chaque fois que nous avons regardé une filière dans la, dans la structuration donc, dont parlait euh, Asia, on s'est immédiatement rendu compte de la faiblesse du maillon essentiel qui est la production. Souvent, les gens, en fait,